bu ñu toppoon usmaan Sonko kese tey jii Khalifa Sall du jël avion ñibbi si biig si guddi ñëw fekk suñu fii bu ñu déglu woon Ousmane Sonko Déthié Fall du nekk si yoon bi di ñëw duñu fekk si fii bu ñu déglu woon Ousmane Sonko xëy na même conférence de presse bii du am parce que moom jàpp na ne dafa war a dem wuyu ji dafa war a dem leeral ci kanamu yoon. Donc, que personne ne considère que nous quoi que ce soit dans la marche de l'État. Par contre, il y a quelque chose que nous ne ferons pas. Nous ne considérons pas que cette affaire est une affaire privée. Et personne ne nous fera le complexe de penser que c'est une affaire privée, que nous nous immisçons dans une affaire privée dans une affaire privée kenn du se centre état cette affaire du début à la fin ba mu ba léegi on sent la main de l'état fàttali ko leen ne nañ fi Ousmane Sonko bëggoon koo woote lever immunité parlementaire am fàttali condition ñu lever immunité parlementaire assemblée nationale fàttali ko leen ne ba ñu lever immunité parlementaire yóbbu ko mais juge bi dafa saisir conseil constitutionnel terewul ñu continuer de def loolu fàttali ko aussi il y a eu plus d'une dizaine de morts avec des vidéos il n'y il a jamais eu d'enquête sur ces gens-là Lolo, mon na grave a qu'il fukki ait ak ñeent moo gën a lu dem Ousmane Sonko état bi kenn aussi état bi bu Ousmane Sonko citoyen ordinaire policier gendarme on mobilise tout le monde Faut nekk Sénégal gendarme les policier la ñëw Dakar na la ñu def ñëw pour pour tribunal jarul le déploiement même de l'autorité administrative mu wàcc bi pour ne day xool naka la kii di dem euh, tribunal donc on ne considère pas que nous sommes dans une affaire privée on considère que ce qui s'est passé avec Khalifa Sall mu jóg jóg ne dafay defi tournée dem ba Tamba ñu woo ko ne ko kaay wuyu Les li xewoon ak Wad. Wade moom la effectivement ak Ousmane Sonko et nous n'accepterons pas que Ousmane Sonko soit euh, sacrifié sur l'autel du désir d'un troisième mandat cette crucifixion politique là à chaque fois que nous sommes vers une élection nous sommes ñan ak candidats on trouve les moyens de d'écarter ces gens là c'est le peuple sénégalais bi soom Le Sénégal c'est un peuple de justice ba bëgg yoon bëggul ku néewal kenn doole boo gisee sénégalais yi di nangu wàcc ce kaw tali bi di ce c'est pas simplement pour tel ou tel autre leader c'est parce qu'on considère que notre démocratie est en péril c'est pour ça que ce Askani reste saisi de la question. Et on verra avec beaucoup de vigilance à tout ce qui va se passer autour de cette question-là. Tant que dans le tribunal, dans l'audition juge, il n'y a aucun problème. Le problème que nous avons à régler dans notre pays, ce n'est pas simplement un problème avec Ousmane Sonko, Khalifa c'est le fait que à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire qui concerne un homme politique, on sent la main de l'État derrière cette affaire-là li avec le le Sénégal Nous ñu fait ba justice par indépendance boo xamante ne du sentir une insécurité judiciaire dans ce pays là de sorte que si woowee nit on sait tout de suite que c'est la mère de Macky Sall qui est derrière et à chaque fois qu'ils ont pris la parole ils se sont trahis ce que nous n'acceptons pas donc aujourd'hui c'est que l'un d'entre nous là au niveau de Yewwi Askan et au niveau de l'opposition et d'ailleurs, au niveau de tous les leaders politiques, que quelqu'un puisse être sacrifié, comme on l'a fait dans le temps, simplement parce que le président de la République ne veut pas être gêné dans sa volonté de faire un troisième mandat. Parce que simplement, les gens veulent aussi continuer. c'est qui de là, dina de way dina yobal du aussi on ne peut pas l'accepter au Sénégal. Macky Sall a fait ses deux mandats. Il part, on le laissera au Sénégal une choisir de qu'on remplace dans notre pays. Il faut qu'on arrête de vouloir imprimer une marque personnelle à la démocratie dans notre pays démocratie rôle askan wi la nit a pas de si nit Nous mooy def benn nit jamono nit un phénomène boo ko sa xol problème. La am problème démocratie fair play la demander. démocratie ouverture le la démocratie accepter esprit de compétition le demander. mais ce qu'on n'accepte pas c'est que quelqu'un puisse utiliser les moyens de l'État la puissance publique peut écarter un adversaire politique. C'est ça qui explique que Askanoui se mobilise autour de cette question-là. Nous nous mobilisons aujourd'hui, nous allons nous mobiliser pour suivre le dossier, mais nous allons aussi nous mobiliser, faire en sorte que le droit soit dit, qu'il soit bien dit, que l'indépendance de la justice soit respectée par tout le monde et par tous. Je vous remercie.